a un yi ak les professionnels si vous voulez le professionnalisme le confort la qualité et la sécurité venez voir notre agence immobilière prévision immo Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Traoré l'agence prévision immo est focalisée sur deux domaines à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière pour la transaction immobilière il y a la location la vente et l'achat concernant la promotion immobilière l'entreprise sera le maître d'ouvrage c'est-à-dire le réalisateur du projet risque neex na kon ku bëgg a ak ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. Voilà, comme vous êtes au courant, euh, les collègues professeurs de français sont sortis aujourd'hui à 9h. Un mouvement d'humeur, toujours par rapport à l'affaire Yaya Koli, Yaya Koli, c'est un prof de français du lycée Malixi qui a été incarcéré depuis le mois de juin. Voilà. Et depuis octobre, nous sommes en train de parler de cette situation, mais apparemment, on dirait qu'au niveau des autorités, ça ne bouge pas. Alors, nous nous sommes rencontrés en cellule pour euh, sursoir un peu à, toutes les convocations de la cellule mixte d'abord, et ensuite éventuellement les compositions à venir. Parce que nous estimons que depuis juin quand même, Yaya aurait dû être euh, au moins entendu et libéré pour revenir ici. Parce que comme vous le savez aussi, ses élèves sont là en train de l'attendre. Et nous pensons que pour un enseignant comme lui, il aurait dû être entendu depuis et libéré en principe. Donc voilà la raison pour laquelle la cellule de français, en communion avec toutes les autres cellules, nous avons décidé aujourd'hui de marquer une journée de débrayage, donc pour ce lundi-là, et comme ça au moins se faire entendre par les autorités. Euh, le mouvement d'humeur d'aujourd'hui, euh, fait suite quand même à l'incarcération de notre camarade Yaya Koli, détenu depuis le mois de juin juillet. Et nous ne comprenons pas le pourquoi aujourd'hui euh, l'intention même de faire une manifestation est un délit. C'est une situation que nous jugeons injuste et voilà la raison pour laquelle la cellule de français avec toutes les autres cellules euh, donc du lycée sont sortis euh, pour véritablement marquer leur indignation par rapport à cette situation. Alors, euh, pour une première, nous avons jugé utile de sortir à 9h, mais c'est sûr et certain que si demain ou après-demain, nos complaintes ne sont pas tenues en charge comme cela se doit, nous allons accélérer, comme on a l'habitude de le dire, la cadence et compromettre les compositions à venir. à 9h parce que tout simplement dañoo am suñu benn collègue boo xamante ni dafa nekk ci euh, loxo euh, dafa nekk prison léegi nag pour surtout euh, jàppale ko ci loolu moo prof français yi décidé à 10h ñu arrêter toute activité pédagogique léegi pour mën a jottale suñu kàddu ñi nga xamni ñoko ñoo jot ñu mën cee jot pour ñu mëna def action parce que bañ ko téye ba tay ñu nekk def nañ ko pexé mais ba tay dafa melni ni dañ ñoo dégluwul wala dañ ñuy tànqamlu léegi nag lii mooy étape bi ñëk bo xam mom lañu la des na tuuti euh, composition yaa ngi bëgg a ñëw ci kanam buñ ci àggee aussi am na yeneen action yoo xam ñu ngi ko teg pour ñu gën a mën a dégg suñu kàddu